il y a, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a, beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est-à-dire que ça soit au niveau donc, des clubs et au niveau en fait, donc, de la ligue professionnelle. Il y a eu quand même donc, des avancées. Tout à l'heure, il y a eu des problèmes au salaire. Pour moi, problème salaire, certainement amna mais bariwul bareetul hmm, comme nous mu avant au début mais aujourd'hui donc la plupart en fait aujourd'hui des joueurs loolu dafa non non non mais pour moi nga salaire parce que non amoon na mais amoon amoon sax non mais ça c'est atténué non mais ça un jour ne peut pas se réveiller à 5 heures du matin dem entre dem ñu n'a mais problème salaire tam mais mais mais le professionnalisme mais tu tu vois parfois des grands pays bon les clubs marocains moi ëpp moyen fous ils ont des problèmes de salaire tu vois chez les pays donc chez les chez les clubs tunisiens je donne tu une information. En Turquie, moi, j'ai, je vois des, des, clubs en Turquie, parfois même en première division, qui ont du mal à payer donc, des salaires. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des choses clubs qui ne payent plus leurs joueurs. Au Maroc. dit Amna. moi, moi j'en connais. Maintenant, maintenant, maintenant, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire en termes donc de professionnalisation, de professionnalisation, le football, Bayal, nous ça a évolué. Mhm. Beaucoup. Dit, les clubs sont, sont plus organisés. Mhm. Sur le plan de la logistique, il y a des efforts, il y a des terrains d'entraînement, il y a des bus. Mhm. La plupart des clubs ont des bus pour les transporter. Des sponsors équipementiers. Ils ont des, des, sponsors, ils ont des équipementiers. Malheureusement, malheureusement, donc aujourd'hui, parce qu'il faut plus de moyens. Maintenant, moyens, il faut que nous c'est en termes donc, de sponsoring et de droits comme dit tey peut-être yéen yéen li li li li li wax euh, football mo leen moo leen xuuri ñi dans le monde audiovisuel yéen amu moyen de votre politique hein? pourquoi vous n'avez pas de moyens parce que vous n'avez pas à avoir des sponsors qui vous suivent et ces sponsors là aussi ñom ñodul suivre donc le football local <laughs> Mais c'est un cercle vicieux tey hein? on aurait pu avoir tey Ben média racheter donc les droits télé comme tu l'as dit si donc les droits télé. donc les clubs nous avons chaque club chaque année on na am millions. versé la ligue professionnelle versé. mais malheureusement c'est amul. mais ça veut dire que il faut que nous xam aujourd'hui on est presque dans la même situation parce que souvent deux journalistes, journalistes, nous xalab donc les clubs là nous fay salaire mais nous cetera sponsors mais sponsor nous avons parce que des gens avons sponsors nous financer donc les droits télé mais malheureusement ils peuvent pas et aujourd'hui aussi pour moi le contexte est favorable pour avoir donc des sponsors au niveau du football local parce qu'il y a du spectacle c'est des matchs de haut niveau et il y a le public. il y a le public Il y a un sponsor qu'est-ce cherche. parce que le sponsoring c'est pas le mécénat. Parce que le gars, il te dit que moi, je vais venir sponsoriser le Giraffe, mais je veux avoir derrière des retombées commerciales. Mais comment je vais avoir des retombées commerciales Déjà, il faudrait que moi, un spectacle. Il faudrait déjà que le stade soit plein. Maintenant, les stades sont pleins. Mais malheureusement, aujourd'hui, la Ligue n'a qu'un seul partenaire audiovisuel et qui te montre un seul match par semaine. C'est pas suffisant. Ah, un, un, un sponsor, dit, tous les matchs. De chaque, voilà, chaque journée, on a au moins 4 ou 5 matchs. Mais ça sonne. Mais, ça, c'est ça que je dis. Ah. Peut-être peut que. que tu n'étais pas attentif. Mm-hmm. Le may wax que nous ñun mm-hmm. c'est-à-dire que y sponsors yi nga xam ne ñun amul voilà il faut que vous soyez beaucoup plus compréhensif vis-à-vis donc du football professionnel. c'est-à-dire. parce que c'est-à-dire je veux dire qu'aujourd'hui, mm-hmm. avoir donc des sponsors au niveau du football local ce n'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, donc, il y a, euh, euh, y a la quand différence La une discipline. mais, je prends un exemple, je prends la lutte. La lutte. Hmm. Mais, mais la lutte. C'est pas un spectacle aussi Tu sais, en fait. C'est pas comparable. C'est pas du tout comparable. Mais la moindre différence. La moindre différence. La différence. C'est des promoteurs privés. Il y a des intérêts aussi parfois qui ne sont pas. Donc, euh, que les gens donc, ne voient pas. Mhm. Il y a ceux qui se signent avec les guises, donc souvent, donc, il peut y avoir donc, des différences. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil. Parce que Bob, c'est un promoteur.